soleil sur notre soir. Debout frères, nous voici l'Afrique l'ensemble. Fibre de coco vert. Aujourd'hui, c'est un grand jour parce que c'est le jour où euh, euh, la coalition Benno Bokoyakar de la commune de rufisque euh, a décidé d'organiser une journée de remerciement à l'ensemble des populations de la commune de rufisque mais aussi à l'ensemble des militants et militantes qui ont contribué à une large victoire de notre candidat, le président Macky Sall. Comme vous le savez, au niveau de la commune de rufisque euh, tous les responsables se sont mobilisés euh, autour euh, de cette coordination pour nous permettre quand même d'avoir ces, résultats. Euh, aujourd'hui, euh, ça nous a permis de remercier tout le monde, de féliciter tout le monde, mais aussi de s'engager encore une fois ensemble pour le développement de notre ville, mais aussi pour le développement du pays. lors de la campagne électorale, nous étions à l'écoute des populations qui nous ont interpellés sur beaucoup de sujets. Mais connaissant l'engagement et la détermination du président de la République, nous nous sommes engagés à transmettre euh, ces, préoccupations de ces populations, à savoir un, plan, comme euh, comment un programme spécial pour Rufisque. Parce qu'on sait que le président est en train de faire d'excellentes choses tout autour de Djamnyadjo. Et nous sommes conscients que Rufisque euh, peut être, doit être le moteur de l'émergence même du pôle de Djamnyadjo. Parce et pour ça, Rufisque a besoin euh, de ce plan, de ce programme euh, euh, spécial, mais aussi Rufisque a besoin d'être rénové. Rufisque a besoin aussi d'avoir des, infrastructures routières dignes de ce nom. Aujourd'hui, les populations nous ont interpellés, on s'est engagé à côté d'eux et on a élu d'une manière extraordinaire notre candidat. Et aujourd'hui, nos attentes, effectivement, c'est de transmettre ces informations au président de la République qui, je sais, est à l'écoute des populations, qui, je sais, son engagement aussi pour le développement de ce pays fera face effectivement à ces préoccupations. Aujourd'hui, euh, donc la jeunesse aussi a beaucoup d'attentes envers le président de la République qui est en train de faire d'excellents travail, un excellent travail dans ce sens-là. Les femmes aussi avec le programme de euh, des financements qui accompagne euh, les femmes. tout ça, c'est des éléments qu'on a recueillis auprès des populations et nous serons très heureux de le transmettre au président de la République pour qu'il puisse quand même euh, accompagner ses préoccupations. président Macky Sall li nga que un programme spécial pour Tengue, un programme pour la rénovation de l'Urfisque. C'est qui que bokk na ci ñu bari ñoo nous campagne bi le nañ ceeg ñun te gëm président li nga xam vision li nga xam ne mooy taxawaayam ci Sénégal mooy fexe ba dëkk boo dëkk yi nga xam ne ñooy dëkki tënk Sénégal yépp nekk de des des villes et des communes émergentes te loolu président mu ngi ci taxaw moo tax loolu population yi bi ñu koy laaj dañ ne loolu d'accord nañ ci te dinañ ci ànd ak yéen te dinañ ko wax jottali ko ki nga xam ne mooy président la république. di wax ne amuñu payu commune Rufisque Est amuñu payu jigéen ñi surtout seen taxawaay wax nañ ko fii ñu bari jël nañ fi parole. jigen ñi bo len cité ben par ben ku ci nek am nga taxaway bu am solo bo def lolu loolu ñu taxaw fi te duñ ko wax gor ñi aussi muy jeune yi la jeunesse de Rufisque Est mobiliser derrière euh, ki nga xam moy les jeunes la de la Cogère ñu def liggéey bu am solo ci campagne bi ñom tamit ñu ngi len di sargal ñom it sen cadeau moy ñom tamit ñu ngi xaar li nga xam moy euh, li président ndam ci ndaw Sénégal yi muy utal leen liggéey muy denk leen xam-xam loolu aussi ñu ngi président et je sais que le président de ci taxaw